Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou ont une large diffusion qui couvre aussi bien Niamey que les chefs-lieux de toutes les autres régions du pays à travers son réseau dynamique de 34 radios partenaires. À Niamey, vous pouvez nous suivre sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenger. FM 96.6 MHz, notre page Facebook c'est Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Bienvenue dans ce forum à travers lequel nous faisons appel à des personnes indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fléau de la mendicité au Niger, un sujet qui a toujours été au cœur de l'actualité dans la société nigérienne. Malgré toutes les sensibilisations et actions de lutte, la mendicité reste en effet présente au Niger et les mendiants sont visibles un peu partout à Niamey comme dans toutes les grandes villes et même dans les villages et hameaux situés au bord des routes nationales du pays. Outre les lieux de culte, ils sont omniprésents dans les rues, au carrefour, dans les lieux publics au niveau des feux tricolores et certains mendiants osent même aller dans des bureaux dès que l'opportunité d'un passage s'offre à eux. C'est donc dire que l'allure que prend ce phénomène reste inquiétante. Pour rappel, le sujet a été déjà présenté comme motif du rapatriement de plusieurs de nos compatriotes dans le Maghreb, notamment en Algérie et même tout récemment au Bénin. Quelles sont donc les causes de la mendicité Est-il un phénomène d'ordre social ou religieux Est-il normal d'en faire un métier qu'enseignent l'islam et le christianisme à ce sujet Qu'en est-il de la problématique des enfants talibés L'idée de pauvreté suffit-elle pour tout justifier Est-il normal qu'ils continuent à contribuer à l'enrichissement de leur maître Que doit faire l'État Face à ce lacinant problème, quelle doit être la responsabilité des parents au sein de chaque famille Quelles solutions proposer pour pallier ce problème qui ne favorise pas l'assurance des droits des enfants, notamment ceux en lien avec l'éducation et à la santé C'est à toutes ces questions que nous tenterons d'apporter des réponses au cours de ce forum de 45 minutes qui reçoit aujourd'hui trois invités. Il s'agit d'abord euh, du directeur euh, général euh, de la Renaissance culturelle et de la modernisation sociale au ministère de la Renaissance culturelle, Monsieur Dandy Adamou. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également comme invité Cheikh Barham Aboubakar, qui est le président du comité de dialogue interreligieux, CEDIR. Cheikh, bonsoir. Bonsoir. Nous avons un troisième invité. Il s'agit du représentant de l'Alliance des missions Églises évangéliques du Niger, Amen, pasteur Issa Moussa. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Michel Dégé. Avant de donner la parole euh, aux éminents religieux que nous avons ici, Monsieur le Directeur Général Dandi Adamou, représentant du ministère de la Renaissance euh, culturelle, comment est-ce que ce phénomène euh, de mendicité se présente sur l'ensemble du territoire national Bien, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Je considère cette plage extrêmement importante, puisque ce phénomène, euh, souvent aussi, on fait un lien avec la religion pour, euh, pour l'expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, on va être édifié mhm. euh, sur ce que la religion dit par rapport à ce, à ce phénomène. À vrai dire, on n'a pas de statistiques précises au niveau du, ministère. Et comme vous savez, notre ministère a ce caractère transversal et il y a un ministère qui s'occupe en réalité de, la question, le ministère de la Population, avec lequel nous travaillons. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle du territoire, comme vous l'avez dit, dans les grandes villes, euh, ce phénomène, il est apparent. On voit les mendiants partout. Et euh, ce qui inquiète davantage, c'est que ce phénomène a tendance à être exporté. Vous l'avez noté dans votre introduction, nos compatriotes sont rapatriés de certains pays. y compris à côté chez nos voisins du Bénin tout récemment. Mhm. Et donc, euh, c'est un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant, qui se propage mhm. et pour lequel, il euh, me semble, pour l'image même de notre pays, mhm. et nous devons nous dresser pour mettre un peu de l'ordre. Mhm. Donc voilà ce que je peux dire euh, en introduction par rapport à ce phénomène. Cheikh Abraham, euh, souvent quand on parle de la mendicité, on pense à la religion, puisque la religion invite euh, à l'altruisme, à la générosité. Et selon vous, quelles sont les causes de cette mendicité Est-ce que vous pensez qu'elles sont purement d'ordre religieux Alhamdulillah, louange à Allah, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sur sa, famille et ses fidèles compagnons. Et avant toute chose, je voudrais remercier euh, le studio Kalangou pour encore une fois l'opportunité qui nous est offerte pour débattre d'un sujet social et religieux euh, d'importance, notamment le phénomène euh, de la mendicité. Comme vous l'avez si bien souligné, l'islam est une religion de solidarité. C'est une religion de miséricorde. C'est une religion de soutien hum. les uns aux autres. Mais l'islam est avant tout une religion qui demande à l'individu d'être fort, de travailler pour assurer sa pitance quotidienne. Dieu dit Travailler. Quand on dit travailler, il ne s'agit pas seulement d'aller travailler dans les champs, n'importe quel travail, pourvu que ça vous donne votre autonomie. Mhm. Donc Dieu dit travaillez, Dieu verra votre apport, ainsi que le prophète, ainsi que la société, les croyants, donc la société. Donc oh, Dieu est en train d'encourager les gens à travailler. Il y a le prophète lui aussi qui dit al c'est-à-dire quoi Ça veut dire que la main qui donne, la main bienfaitrice, est toujours au-dessus de la main qui reçoit. L'islam prévoit des situations, des cas précis dans lesquels euh, il est, on peut dire, euh, tolérable quand même de mendier. Oui. C'est pour ça que je vous parle de gens mhm. qui, sont, qui sont en incapacité. ou bien des gens qui, sont, qui courent sous la dette. À l'époque du messager, il est autorisé pour certaines personnes euh, qui courent sur, la dette, vraiment de mendier le temps juste d'éponger de, cette dette-là. Mhm. Ou bien des gens qui doivent faire face à une sentence mhm. et que on leur est demandé de verser la dîme, l'équivalent de vie ou quelque chose comme ça, ou bien des gens qui sont en passage et qui sont à court de, de, provisions. Mhm. Euh, à l'époque, on leur autorisait juste de, de, mendier mhm. pour juste le temps de, de dépasser ces difficultés-là. Mhm. Donc, sans cela, et même ne peut pas continuer encore à, mendier. Donc, donc, il faut être soi, vraiment dans l'incapacité totale de se venir à ses propres besoins, mhm. là, on, est autorisé à mendier. Mais là encore, il y a des règles. La mendicité telle que nous, on le voit, les gens, ils s'assoient, ils ne viennent pas vous déranger, ils ne viennent pas toquer sur votre vitre de, votre porte, de, la voiture, comme on le voit dans la ville, ou bien ils ne viennent pas toquer, etc. Donc, euh, ils ne sont pas agressifs. Euh, ils sont là, c'est à toi d'aller vers eux. <laughs> c'est pas à eux de venir vers toi. Donc, c'est euh, même dans le cas où la personne est obligée de le faire, c'est organisé, c'est mm-hmm. discipliné, Et c'est pour un temps précis. et c'est pour euh, un temps précis. Merci. nous avons le révérend pasteur Issa Moussa qui est avec nous également. Pasteur, euh, vous observez comme tout le monde ce phénomène dans la ville de Niamey et un peu partout d'ailleurs à l'intérieur du pays, et même quand on va à l'étranger. Euh, qu'enseigne euh, ou que dit le christianisme par rapport à la mendicité. Merci vraiment. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fait cette grâce pour une opportunité de parler par rapport à un fait qui est là, mhm. qui est vraiment déshonorable pour moi. Mhm. Parce que quand on prend la mendicité, j'ai un peu à jouer, à fouiller un peu la Bible ce matin j'ai pas trouvé le mot mendicité, mais j'ai trouvé mendiant dans trois passages bibliques. Mhm. Un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau euh, Testament. Donc là, on parle des gens qui sont là à côté du temple mhm. et un autre qui a été guéri donc baptisé par Jésus. Le temple, c'est-à-dire le, mm. lieu de culte. Le lieu de, culte chez les Juifs. Mhm. Oui. Mais quand on prend par exemple euh, dans la Bible et la mendicité, vraiment c'est pas permis. Parce que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, il y a un passage, où, lisons le Nouveau Testament, il y a un passage où Paul même a attiré l'attention des gens en disant que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Hum. C'est biblique. Et donc, les gens croupissent derrière la religion pour dire que non, c'est à cause de Dieu. On est en train de, de, chercher de quoi prendre et de quoi souvenir à nos besoins. Mais quand nous voyons ces gens, ce sont des gens qui sont valides. Ce sont des gens qu'on peut entretenir. Mais au niveau du christianisme, qu'est-ce qui se passe Il y a ce qu'on appelle un côté social au niveau de l'Église. Donc, où on prend en charge les veuves, les orphelins, comme l'avait dit Chèque, les invalides. Ça, c'est l'Église qui prend en charge. Vous n'avez aucune autorisation d'aller commander. Ça, c'est le volet social de l'Église. Donc, quelle que soit la congrégation, s'il y a ce genre de gens, il y a ce volet social où ces gens-là sont entretenus. On les voit à travers les orphelinats. les au niveau même de l'Église, c'est-à-dire mhm. à travers les offrandes, à travers les dîmes des membres. Mhm. Donc quand on a vraiment des veuves, vraiment au niveau de l'Assemblée, donc c'est le devoir de l'Église de les prendre en charge. Parce que c'est pas honorable de voir ces gens aller quémander. Parce que David, qu'est-ce qu'il a dit Il est né, il a grandi, il n'a jamais vu un juste quémander son pain. Mhm. C'est ce que David a dit. C'est-à-dire que lui, depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il est devenu vieux, celui qui dit que vraiment il est avec Dieu, il ne peut pas aller commander, chercher de quoi manger. Il doit travailler. Il doit travailler. Mhm. Il doit se contenter de son Dieu, il doit se confier à son Dieu, parce que c'est qu'on dit, toute bouche que Dieu avait faite, donc Dieu lui donne sa providence. Donc la foi ne nous autorise pas à aller déranger les gens. Parce que quand on voit le fait d'aller chercher, c'est comme si tu es en train d'offenser même quelqu'un d'autre. Donc la personne auprès de laquelle tu étais parti chercher l'offrande ou bien donc euh, ce dont tu as besoin. Parce que quand nous voyons aujourd'hui les mendiants qui sont dans les rues de Niamey, ce sont des, des vraiment, vraiment des bras valides. Ils peuvent travailler. Il y a des bras valides oui, parce Que, et donc, les gens tapent, se croupissent derrière les religions pour dire que non, voilà Dieu, voilà ce qu'il a dit, il faut quand tu es dans le besoin, il faut aller mmh, auprès de mmh. ton frère, il faut aller commander, il faut faire ceci. vous voyez que dans le côté euh, chez, chez, chez, nos parents musulmans, chaque a bien spécifié mmh. qui a le droit d'aller demander et pour quelle raison. Oui, oui, et c'est pour un temps qui est limité. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est devenu aujourd'hui une profession. Nous avons le directeur de la Renaissance culturelle. Euh, les femmes, euh, des hommes valides, mais aussi ils viennent avec leurs enfants. On voit des jeunes filles. Vraiment, c'est des familles tout entières. C'est pitoyable. Euh, vous, au niveau du ministère de la Renaissance culturelle, comment vous appréhendez les choses et est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'avoir euh, des pistes de solutions à tout ce problème euh, que constitue la mendicité. Bien, le, ministre, si vous l'avez écouté récemment, il a parlé d'interdire euh, la mendicité. Et au niveau du ministère, nous avons mis en place un comité interministériel mmh. qui regroupe plusieurs ministères qui réfléchissent sur comment on va affronter certains phénomènes eh, vraiment qui perturbent euh, la vie en, société. Mhm. Et parmi ces phénomènes, il y a celui de la mendicité. Mhm. Ce comité a réfléchi et a proposé, entre autres, des pistes eh, de solutions pour venir à bout de la mendicité, en tout cas pour au moins la réduire. Mhm. Et nous ne voyons pas de possibilité de de le faire sans associer les religieux. Tout à fait. Parce que comme ils l'ont dit, euh, c'est une question qui est souvent arrimée à la religion. On dit c'est la religion qui permet. La religion, elle cultive la solidarité. Mhm. Et du coup, les gens se disent, puisque la religion demande aux gens d'être solidaires, donc nous, nous allons mendier. Mhm. Donc, il y a des niveaux d'invalidité aussi euh, qui ne peuvent pas euh, être juste une occasion pour dire je dois aller, aller mendier. Donc nous, ce que nous, proposons, c'est qu'il faut aller vers la sensibilisation, mhm. à travers surtout les religieux, pour qu'ils fassent comprendre aux gens que ce n'est pas la religion qui autorise la mendicité. Mais ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont fait de ça une profession. Pour cela, nous allons organiser une campagne de sensibilisation et votre émission vient à point nommé pour mm. amener les gens à comprendre que la mendicité, ce n'est pas la religion qui nous l'autorise. Mhm. Que la mendicité, nous pouvons la faire dans certaines conditions, parce que ça participe du soin que nous devons apporter à l'image mhm. euh, de notre pays. Mhm. Donc voilà euh, les actions que nous entendons entreprendre pour venir à bout euh, de la mendicité. Sensibiliser ne suffit peut-être pas. nous envisageons, en tout cas à notre niveau, de voir comment il est possible de prendre des mesures d'accompagnement le pasteur vient de parler du côté social de l'Église, qui fait que euh, ceux qui pratiquent la religion, les chrétiens qui sont dans cette situation où ils sont incapables de travailler, c'est l'Église même qui les prend qui les prend en charge. Mhm. La religion musulmane, je pense que Cheikh va revenir là-dessus, il y a aussi le système de la zakat. Mhm. Nous pensons à voir comment on peut rationaliser la collecte de la zakat. Qui est un des piliers d'ailleurs. Qui est un des piliers de mhm. l'islam pour venir en aide aux personnes qui sont réellement nécessiteuses. Mhm. Pour cela, il faut mettre euh, un mécanisme en place qui permet de bien gérer les fonds qui auraient été collectés et, nous pensons qu'il est possible de voir avec les organisations religieuses comment mettre en place un système euh, une, structure, un dispositif mhm. qui va mhm. euh, se charger de collecter et de redistribuer la zakat aux personnes qui sont véritablement nécessiteuses. Et l'autre aspect, c'est aussi l'application des textes. Mhm. Des textes existent qui répriment la mendicité. Il faut qu'on applique les textes. Mais notre démarche va être parler d'abord aux gens avant les de gens, Les gens, justement, les gens me connaissent euh, ces textes. Euh, nous, nous sommes en possession de ces articles. Il s'agit notamment de l'article 179 du Code pénal. On va le lire. Mm. Cet article dit « Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu public ou privé sera punie d'un emprisonnement de trois à six mois. L'article 180 dit Aucune peine ne pourra toutefois être prononcée contre les vieillards de plus de 60 ans et les infirmes. C'est pourquoi notre démarche va consister à sensibiliser d'abord. Prendre le temps de sensibiliser, de communiquer avec euh, la population, avec ceux qui s'adonnent à cette pratique-là, avant de venir à l'application, à l'application des textes. Et euh, de façon générale, ce n'est pas seulement la question de la mendicité. Sur tous les aspects que nous déplorons ici, dans le cadre de la renaissance culturelle, des textes existent mm. qu'il suffit seulement d'appliquer. C'est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais je pense qu'il faut déjà commencer à dire aux gens la loi. Voilà, il faut commencer à le dire parce qu'il ne faut pas entrer dans une démarche euh, brutale. Il faut commencer à sensibiliser les gens et après, en leur disant ce que disent les textes, et après, on viendra à l'application des textes. Je pense que ça ne dérangera personne. Nous voyons chez Kabram, on voit que euh, c'est seulement les personnes, euh, les vieillards et les plus de 60 ans donc, euh, et les infirmes qui sont à l'abri de ces sanctions pénales. Mais le directeur général vient d'expliquer aussi que même ces infirmes, en fait, il arrive qu'ils peuvent travailler. Nous avons notamment les aveugles qui ont une école. Solé euh, Abdraman, qui a été ministre, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont dans cette situation de handicap, mais qui travaillent valablement. Qu'avez-vous à dire, Cheikh, par rapport à ça Je dis merci au euh, DG euh, de la Renaissance pour l'éclairage. Mhm. moi, je dis que dans la mesure où il y a des infirmes qui travaillent. Mhm. Il y en a qui, qui sont dans l'artisanat. Mais qu'est-ce qui les empêche aussi d'être sous la loi mhm. Dans la mesure où on en a vu qui, qui consomment des, drogues. On en a vu qui, qui, sont euh, impliqués dans des délits et même parfois dans des crimes. Donc, euh, c'est des personnes. Donc, euh, qui sont des personnes un peu comme nous, de la mesure où l'État, ou bien en tout cas les États, sont en train de leur donner la possibilité de participer à des activités. Mhm. Il faut que ces gens-là, on puisse leur ouvrir la voie à ce qu'ils puissent vraiment retrouver leur vie sociale en plein entier. Mhm. Ceux qui vraiment, qui restent, l'infime minorité qui reste, c'est à eux maintenant que s'adresse la solidarité nationale. Mhm. Moi, je suis tout à fait d'accord c'est même souhaitable que vraiment l'État réfléchisse à un projet national, hum. même si c'est à long terme, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile comme ça. À long terme, qui, va débarrasser notre pays, à long terme, de la mendicité, hum. où tout le monde va travailler, hum, où les, la religion ne sera plus l'alibi pour euh, cette forme de clochardisation sociale. Vous avez entendu Pasteur dire comment l'Église est organisée. Mhm. Mais l'islam aussi est une religion organisée. Il doit être organisé. C'est parce que euh, notre secteur religieux, mhm. parfois, n'est pas bien organisé que certains trouvent la faille pour l'utiliser. Mhm. Sachez que les mendiants, sont très intelligents. Ils savent utiliser nos sentiments et notre foi. Il n'y a rien de plus sensible que ces deux-là. Quand quelqu'un a des yeux pas très beaux, il préfère ne pas mettre de lunettes noires, il les expose pour attirer votre attention. Quand il a des enfants familiques, il préfère ne pas les laver. Les gens utilisent nos sentiments. En plus, ils utilisent aussi nos sentiments religieux. Il y a une sourate où Dieu dit Abbas wa cest C'est-à-dire que le prophète Mansassam était là un jour quand un, aveugle est venu mendier. L'aveugle insistait seulement que le prophète s'est énervé. Il lui a tourné le dos. Il était mhm. fâché. Donc ça veut dire que lui-même, ça l'a frustré. Le comportement du mendiant l'a frustré. Le comportement du mendiant, lui, était quelque chose d'insupportable. Mhm, mhm. Le prophète s'est mis hors d'état et il, lui a même tourné le dos. Donc c'est à ce moment que N'oubliez pas que c'était au début de la religion. On était en train d'enseigner aux gens le, mm-hmm. bon comportement, le comportement de pitié, mm-hmm. d'amour, de solidarité. C'est des notions qui n'existaient pas avant l'islam. Donc, euh, tout de suite, un verset est descendu pour rabrouer un peu le messager d'Allah, mm-hmm. pour son comportement. C'est d'autant plus insupportable que c'est lui, le prophète, l'homme parfait, qui l'a fait. Donc, il faut que Dieu remette les choses, les pendules à l'heure. Donc, euh, ce verset-là est descendu comme pour euh, rabrouer le messager mm. d'Allah pourquoi il, il, s'est mis en colère, mm. pourquoi il, a, tourné le dos à, ses mm. ces, mendiants. Donc, euh, de là, les gens utilisent cet argument comme si c'est Dieu même qui défend leur cause. Donc, euh, ils, utilisent ce sentiment de Dieu. Imagine toi qui es croyant, chrétien ou musulman. On, vient, on vous dit, au nom d'Allah, mm-hmm donne-moi de l'argent, je vais faire euh, euh, manger. Hum. On te dit, au nom d'Allah, toi qui es croyant, même si tu sais que cette personne la ment, moralement tu es dérangé. Voilà le créateur qui te donne ta puissance quotidienne. Hum. Il te donne tant de choses. Il te donne un salaire euh, miribolant. Il te donne tant de bénéfices dans ton commerce. Il te donne la bonne santé. Il te donne toutes ces choses on te dit de lui donner 100 francs au nom de ce créateur que tu as de fait, quel va être ton, comportement Donc c'est des gens parfois même vicieux. Moi, je trouve que il faut organiser ce secteur. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il y en a qui viennent dire que, ah, dans les mosquées, on n'attend même pas que les gens finissent de dire assalamu alaikum. Ils se lèvent, ils disent, voilà, moi je suis en train de, faire mon voyage, euh, ma provision s'est épuisée. Demain, tu les retrouves dans une autre mosquée. Il y a même de plus en plus euh, de l'anal qui se fait, des gens qui circulent avec des fausses des ordonnances. ou, bien euh, des, ou bien des, ou bien des, d'une mosquée, <laughs> des gens bien portants, qui, sont souvent mieux habillés que toi. Ils, se avec des, des, d'une mosquée. Il faut que l'État mette de l'ordre dans ça. Il faut que l'islam mette de l'ordre dans ces choses-là. Mhm. Merci à vous. Et, pasteur, on revient à vous. Est-ce que vous pensez que la pauvreté, parce que l'élément commun, c'est la pauvreté quand même, c'est une pratique qui est déshonorable. La preuve, les gens, on a l'impression qu'ils ne veulent pas mendier là où ils sont connus. Mais est-ce que vous pensez que la pauvreté suffit pour justifier la mendicité quand nous voyons comment ces, gens sont maltraités, comment vraiment des propos qu'on tient, alors vraiment toi-même, euh, tu, tu, tu, te sens vraiment trop touché <laughs> par rapport à leur situation. La pauvreté ne peut jamais conduire quelqu'un à vivre aux dépens des autres. Parce que, quelle que soit la pauvreté, mm-hmm. on peut trouver quelque chose qu'on doit faire qui nous régénère quelque chose. Mm. On a vu, par exemple, quand vous voyez dans la Bible, on voit des gens vraiment qui sont pauvres. Mais quelle que soit la situation, ils vivent des produits de leur... Ils se consacrent à, leur, soit à l'agriculture. Ils vont, ils sont devenus comme des, comme, ce qu'on appelle des mercenaires. Mm-hmm. C'est-à-dire des gens qui mm-hmm. vont travailler dans des champs pour mm-hmm. trouver de quoi vivre, pour trouver de quoi prendre euh, euh, soin de leurs enfants. Donc, il y a ça dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on les voit. Des gens qui partent, ils n'ont rien, donc euh, au lieu d'aller non, non, ils vont travailler dans les champs. En fin de journée, ils sont rémunérés ou bien ils reçoivent une récompense des grains qu'ils amènent à la maison pour prendre soin de leurs enfants. Mmh. Donc, euh, en aucun cas, la pauvreté ne peut pas entraîner quelqu'un à être mendiant. Parce que la mendicité, c'est un vouloir être. C'est un vouloir être. Si tu veux, tu vas l'être. Mhm. Parce que tu ne veux pas fournir d'efforts. Tu ne veux pas travailler. Il y a la paresse. C'est pas la pauvreté. Quand vous voyez quelqu'un en train de mendier, c'est n'est rien d'autre qu'un paresseux. Aujourd'hui, nous avons et, pas mal d'associations des aveugles qui, qui, travaillent. On voit même il y a des lépreux qui arrivent à faire quelque chose. Les sourds qui travaillent et bien d'autres. Mais pourquoi pas toi et beaucoup ce qu'ils font quand ils quittent euh, le Niger, c'est ce qu'ils font dans les pays, où on les rencontre. Mais c'est pas, c'est pas la pauvreté. Ça, c'est c'est un discrédit qu'ils rejettent même sur la nation. Franchir les frontières et aller quémander quelque part où leur dignité est totalement bafouée. Hum. Et le discrédit est rejeté sur le pays. Mais les gens le font seulement. Donc il y a des choses que nous-mêmes, nous ne devons pas donc les permettre. Parce que quand on voit quelqu'un dans une situation, on sait que cette personne est capable elle-même de faire quelque chose, on doit réagir face à cette situation. Monsieur le directeur général, il a parlé du fait que ce phénomène a tendance à être transposé eh, dans d'autres pays. C'est déplorable, mais c'est parce que, bon, eux-mêmes, ils ont des difficultés à appliquer les tests. Et souvent, quand on veut appliquer les tests, eh, les gens n'ont pas intérêt à envoyer des expatriés en prison parce qu'ils pensent qu'ils vont les nourrir. Donc, euh, on consente et on dit que bon, ils n'ont qu'à retourner dans leur pays. C'est quand même déplorable et c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mhm. Moi, c'est sur quoi je veux que les Nigériens se rendent compte euh, d'en fait, ceux qui s'adonnent à la mendicité. Il y a beaucoup de communautés étrangères au Niger. Mhm. Mais ces communautés étrangères-là, est-ce qu'on les voit dans la rue Jusqu'au plus petit, quand aujourd'hui vous avez un problème avec votre pneu, vous vous arrêtez, peut-être que c'est un petit, tout petit, béninois qui va vous réparer le, le pneu. Donc il faut que les gens prennent exemple. C'est-à-dire, c'est, c'est pas qu'on veut empêcher aux gens de sortir. Les gens peuvent sortir de leur pays, aller ailleurs. Mais quand ils partent, ils doivent développer une image positive de leur pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui la plupart de ceux qui m'ont dit, même quand vous allez dans les pays là autour, vous allez vous rendre compte que ce sont des Nigériens. Donc il y a une question de dignité qui est là et qu'on est en train de, de bafouiller. Mais je pense que ça mérite d'être regardé de très près. Il y a le fait aussi que je pense que les, les deux représentants des confessions religieuses l'ont dit, les Nigériens, de façon générale, il est généreux. Mmh, tout à fait. Si les, les gens entrent comme ça dans la mendicité. C'est-à-dire, il n'y a pas de recul. Chaque jour, moi, j'ai l'impression que le nombre de mendiants augmente. C'est parce qu'il y a des gens qui donnent. Si ces gens-là ne recevaient rien toute la journée, ils vont rester une semaine, ils vont cesser d'aller. Il y a des gens qui sont fiers euh, de donner. Il, il y a les gens qui, et les gens vont continuer à donner. la mendicité, elle ne va jamais s'arrêter d'elle-même parce qu'il y a des gens qui sont généreux et les mendiants, c'est de bons psychologues. Le pasteur, la, la, le chèque l'a dit. Ils vont abuser du fait que les gens sont généreux pour continuer à, demander à, sortir dans la rue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces mendiants-là à qui on donne sont plus riches que nous. Mm-hmm. Si vous voulez de la monnaie, vous demandez à un mendiant, vous allez l'avoir tout de suite. Peut-être que vous, vous avez 2000 francs, vous voulez lui donner 500 francs. Il va, dites bon, je n'ai pas de monnaie. Il va vous dire oui, il y a de la monnaie. Il va sortir une liasse de, hum. billets et il va vous donner votre monnaie. Donc, les gens ont fait de ça une profession. Et c'est ça qu'il faut traquer. Hum. C'est-à-dire, ce n'est pas les gens qui, peuvent, qui ont le droit, entre griffes, de mendier. Ce n'est pas eux le problème. C'est des gens qui n'ont pas ce droit, qui sont capables de travailler et qui s'adonnent à la mendicité pour s'enrichir, c'est cela là qu'il faut, à mon avis, eh, traquer. On revient à vous, Cheikh Abraham. Nous avons quand même un phénomène euh, qu'on retrouve euh, le plus souvent, on indexe euh, à tort ou à raison les marabouts. Il s'agit du phénomène des talibés qui quittent une localité pour une autre. Il s'agit de venir au niveau des grandes zones où ils vont pouvoir avoir recours à un marabout, un éminent qui va quand même leur enseigner le Coran et à partir de là, on pense que c'est cela qui est le point de départ de, la mendicité en ce qui concerne le cas spécifique des enfants talibés. en fait, euh, à ce niveau, euh, comment expliquer ce phénomène Parce que lorsque des enfants se déplacent, on les confie à un marabout. Le marabout, finalement, il n'a pas de quoi prendre en charge. Normalement, c'est le marabout même qui doit être rémunéré. Mais puisque les enfants n'ont rien, ça devient un sujet complexe. comment expliquer cela, Chèque Vous avez si bien brossé le tableau. Et je dis que maintenant, avec tout ce que les uns et les autres ont eu à dire, la preuve est faite que il y a les, les, invalides, il y a les valides, il y a les, les, arnaqueurs, et il y a tout dedans. Maintenant, vous venez d'ajouter les talibés, les enfants talibés, comme on dit. Mm. Euh, nous, lorsqu'on était jeune, mm. déjà même il y a moins d'une vingtaine d'années même, on, ne trouve que grosso modo deux types de, mendiants, mm. les talibés comme vous dites et les infirmes. Comme on dit infirme, ça peut être quelqu'un qui, est estropié, quelqu'un qui, qui, voyons, etc. Donc, euh, il n'y avait pas de gaillards, il n'y avait pas de gens, des femmes et des enfants, toute une mm-hmm, mm-hmm. cohorte de femmes et des enfants qui sont apparemment bien portants. Non. Euh, il y a des, exodants climatiques mm. que certaines conditions climatiques ont fait venir dans les villes. Ce sont les femmes avec les enfants, toute une famille qui, une fois qu'ils ont squatté certains points, ronds-points, etc. ils ont eu de l'argent, ils ont envoyé même à la maison acheter des choses, et ils continuent de rester dans ça et, en faire un métier. Mais le phénomène des talibés, venons-en. Là, nous les marabouts, quand on touche au phénomène de, de des talibés, vraiment, il y a deux, deux, deux situations à distinguer. Il y a le fait que le système éducatif traditionnel est vraiment délaissé. Il est dans, une sorte de crise. Ce phénomène, ce, système éducatif, l'école coranique, qui a fait le beau jour de nos marabouts, qui a écrit, à travers lequel même euh, la mémoire de, de, nos populations ont été préservées à travers des écrits. Je mm. vous renvoie à l'Ish, Le colonisateur lui-même, quand il était venu, il a vu l'importance de la, toute la documentation écrite, des manuscrits, en français, en ajami, c'est-à-dire en langue arabe, ou bien que c'est en peul, mais écrit avec les lettres arabes, c'est en germain, c'est en hausa, c'est en kanuri, mais qui sont écrits avec les lettres arabes. C'est ce qu'on mm. appelle ajami. Il y a aussi les écrits en arabe pur. Les colonisateurs, ils avaient trouvé tout ça. Les, contrats, les réunions, le mariage, les, les commerces, tout se faisait à travers des écrits. Il y a Tombouctou qui est là, avec sa bibliothèque de renommée. Mais ça veut dire que cette école traditionnelle mm-hmm. avait un temps connu de beaux jours cette école traditionnelle n'est pas aussi mauvaise qu'on on, la présente aujourd'hui. Monsieur le directeur général, je vois clairement ce qu'il dit, c'est que la Constitution fait la séparation entre l'État et la religion et quand on parle des écoles coraniques, souvent l'État n'a pas envie d'aider ces écoles parce qu'on dit que l'État investit dans la religion. j'arrive. Avant de donner la parole au DG, c'est une grande problématique. L'école coranique, mm-hmm. l'école coranique n'est pas forcément religieuse. On peut la moderniser. On peut y apprendre des métiers. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pas une école euh, religieuse en tant que telle. Il suffit simplement de vouloir vraiment la moderniser. Vous mhm. voyez Donc, oh, si cette école-là est dans cet état-là, produit des mendiants, c'est parce qu'on l'a laissé en lambeau. Bref, nous, ce qu'on dit, essayons vraiment de sauver cette école, de lui trouver sa voie. Ça va, euh, ça va contribuer grandement à diminuer euh, le phénomène de la <laughs> maladie. c'est un problème difficile, c'est une grande problématique parce qu'il y a des enfants, il faut le reconnaître quand même, monsieur le directeur général, si la personne est de confession chrétienne ou musulmane, elle a envie qu'on enseigne quand même sa religion à ses enfants. Et l'État, à travers les écoles traditionnelles, c'est vrai, il n'y a pas l'enseignement euh, religieux, mais de plus en plus, nous avons les écoles franco-arabes qui s'intéressent un peu à ça et l'État investit dans les écoles euh, franco-arabes parce que ça, c'est inclus dans le programme officiel. Enfin, euh, comment vous abordez cela à votre niveau C'est effectivement un sujet... Mm. en tout cas préoccupant. Et mm. La situation qui est faite euh, aux écoles coraniques. Aujourd'hui, ils veulent même pas prendre de, à manger. C'est vraiment d'avoir de, de l'argent. Mm. Les écoles coraniques, euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec Cheikh que la situation qui est la leur aujourd'hui doit être revue. Mm. Et nous, nous avons pensé à, à ce phénomène-là il y, a pas, il y a à peine un an. J'étais encore directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mm-hmm. Nous avons réfléchi à voir comment on peut moderniser les écoles coraniques. L'idée, c'est de garder le même dispositif, mhm. c'est de garder le même dispositif et de, nous avons même élaboré un programme mhm. pour ces écoles coraniques, un programme qui tienne compte du fait que la mission première des écoles coraniques, c'est l'apprentissage du Coran. Et les, les oulémas qui étaient avec nous, la question qu'on leur avait posée, c'est que dans une école coranique classique, en combien de temps on apprend le Coran ils nous ont répondu et nous avons dit nous, avons, nous allons garder dans les écoles coraniques que nous avons appelées rénovées le même dispositif, le même temps pour apprendre le Coran et apprendre autre chose. Et je suis tout à fait d'accord, mais il faut apporter des appuis en termes de formation en termes de renforcement des capacités à ces enseignants qui sont là-bas. C'est pas qu'on va les recruter, mais ils sont là, sur leur mission, ils ont besoin juste d'un appui pour faire correctement euh, leur travail. Et pour parler des écoles coraniques, au sein même des écoles coraniques qui sont traditionnelles, je pense qu'il y a des évolutions. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec, euh, avec un chèque qui reçoit des enfants qui proviennent de différentes contrées du Niger. Hein. Il m'a dit récemment, ils ont reçu 10 de, de Madawa, alors que lui n'est même pas dans la même région que, que Tawa. Mais je n'ai pas vu de talibé dans le village. Hmm. Et j'ai dit, mais comment ça se passe Non, ils n'ont pas le système de bara. Hmm. Ils ont supprimé ça. Les enfants, on leur fait à manger sur place. Et pour cela, quand ils le pouvaient encore, ils le faisaient lui-même. Maintenant, l'école a pris des proportions que, bon, il demandent aux parents de, qui envoient leurs enfants de contribuer. Et je pense qu'il faut que ça marche comme cela avant, en attendant que l'État accepte d'accompagner mmh. ces écoles coraniques-là en termes au moins de prise en charge des enfants, en se disant que ces enfants-là aussi vont intégrer peut-être un peu plus tard, puisque nous, notre option de rénover les écoles coraniques, c'est faire en sorte qu'un peu plus loin, le, entre dans le système formel. Mhm. C'est-à-dire que un enfant peut entrer dans une école coranique et puis il sort en passant peut-être par une médersa et puis il va peut-être jusqu'à un collège franco-arabe. Donc je pense qu'il y a euh, en tout cas des efforts à faire. Je ne sais pas comment le dossier a évolué. En tout cas, ça fait un an que j'ai quitté que j'ai quitté le poste, mais je pense que les gens sont dans la réflexion de voir comment on peut rénover les écoles coraniques et donc si on les rénove, c'est y compris en faisant en sorte que le système de Bara soit, arrêté. C'est donc un sujet qui est très difficile. On ne peut pas interdire la mendicité tant que euh, ce phénomène de talibé continue donc, puisque euh, les marabouts n'ont pas les ressources financières qui leur permettent de prendre en charge ces enfants qui quittent des localités pour venir <coughs> apprendre euh, l'enseignement du Coran. Nomadisme là, tant qu'il va exister, tant que le marabout peut prendre des enfants et se déplacer avec eux, euh, je pense qu'il va être très difficile d'empêcher aux enfants d'aller d'aller mendier. Et maintenant, euh, j'ai l'impression que le chèque l'a dit, c'est que ces enfants-là qui sont en réalité dans les écoles coraniques, mhm. bon, ceux qui sont dans la rue, c'est au moins 3-4 fois le nombre d'enfants qui sont dans les écoles coraniques. Parce qu'il y en a qui profitent mhm. euh, pour aller justement faire comme s'ils étaient dans les écoles coraniques, alors qu'en réalité, c'est le fruit de la démission des parents. Et je mhm. pense une question aussi sur laquelle il faut qu'on soit regardant, il faut que euh, les parents veillent à l'éducation de leurs enfants, mais aussi les prennent en charge pour éviter qu'ils soient dans, dans la rue euh, à mendier comme cela. Donc euh, les marabouts reçoivent des enfants qui quittent d'autres localités, l'État ne peut pas interdire cela, ça veut dire que ces enfants sont tentés d'aller mendier et les réflexions sont en cours. On espère bien qu'on va aboutir à des résultats qui vont quand même contribuer à trouver une solution idoine à ce problème. Nous, on veut que les réformes venir puissent prendre en compte ces choses-là. Ce n'est que justice sociale. Il faut qu'on sache que ces gens-là, ils peuvent vraiment contribuer à une euh, renaissance du pays. Tout Par exemple, le premier aspect, j'ai dit l'État. Le deuxième aspect, c'est le peuple, c'est nous-mêmes. Par exemple, moi, je prends mes, mon enfant, ça peut être 2, 3, 4, 10. Je les amène sur le marabout. Mais je ne m'occupe plus de ces gens-là. C'est au marabout de les nourrir. C'est au marabout de les soigner. C'est au marabout de les habiller. Mm, mm. Moi, je suis au, bout du monde. Non, autres oh, enfants, moi, je les ai envoyés sur le marabout. Comme sur le marabout, lui, il a euh, toutes les capacités du monde. Alors que lui-même, il n'arrive pas à, éduquer ses propres enfants. Alors que lui-même, il n'arrive pas à subvenir à ses propres, besoins. Moi, j'ai dit ça partout où on passe pour faire les walima et autres là, de les fêtes coraniques là. C'est le, c'est la motive, c'est le sujet sur lequel moi je parle. Tout le monde est d'accord avec moi, les marabouts, les populations, que vraiment ce système est décadent il faut les laisser. J'ai conséquences. Vos enfants sont en train de devenir des délinquants, ils sont en train de devenir des mendiants, Parce que ne maîtriseront pas le, Coran. ne les contrôle pas. Et il y en a qui ils, trouvent mieux dans la mendicité, ne reviennent plus. Le Boko Haram et autres. Euh, ils ne euh, reviennent plus vers le marabout. Oui, ils peuvent les, on, voit bien donc que ce système traditionnel mérite un regard pour arriver à bannir euh, ce fléau. Et nous avons pasteur Issa qui est toujours avec nous, Issa Moussa. selon vous, quelle solution faut-il proposer et votre mot de la fin, puisque nous sommes pratiquement au terme de cette émission. la solution que je vois vraiment, c'est de soutenir ces différentes associations qui sont là, c'est de créer des activités pour ces gens-là. Soit euh, donc les initier à un commerce, les initier à une fabrication d'un matériel quelconque, mmh, mmh. appuyer, ça peut résoudre ce problème-là. Donc euh, moi, c'est ce que je vois. Vraiment, il faut appuyer Là, il faut appuyer pour que ça s'arrête. Merci à vous, pasteur, monsieur le directeur général euh, de la Renaissance culturelle et de la modernisation sociale. Enfin, qu'est-ce qu'on peut espérer On voit quand on parle de ce phénomène de talibé, ça veut dire que c'est difficile d'appliquer les tests parce que les tests sont censés être appliqués sur l'ensemble du territoire national. Car moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'on a une dignité à, sauvegarder face à ce phénomène. Euh, il faut qu'on réagisse individuellement et collectivement. Ça va prendre énormément de temps, mais euh, il faut commencer déjà à faire en sorte que ceux qui sont dans une situation telle qu'ils ne sont pas obligés de mendier mhm. puissent arrêter euh, de mendier. Donc voilà, euh, si je dois lancer un appel aux Nigériens, c'est de cesser ces pratiques qui les déshonorent et qui déshonorent leur pays. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général. Cheikh Brahm, pour terminer, un mot en reconnaissant ces écoles coraniques, en les modernisant, en les appuyant. Le mot est sorti de la bouche du, DG, appuyé, et, surtout du, pasteur Issa. On peut vraiment créer ce changement. Moi, actuellement, j'ai une école coranique où les parents payent pour prendre intégralement en charge. C'est une école internat. Mhm. Les parents se bousculent parce qu'il n'y a même pas de, place. Parce qu'il faut les prendre en charge, leurs soins, leurs loisirs, leur éducation, tout, leur propreté, leur hygiène tout, est calculé. Ça existe des cas comme ça, il faut les appuyer, les encourager aussi. Parce que ça ne fait plaisir à aucun Nigérien. Quand tu vas, quand tu vas à la Mecque, tu vois que la grande majorité des mendiants à la Mecque, en lieu saint, sont soit du Niger ou du Nigeria. Ça fait mhm. très mal. Il faut que la population prenne conscience que ça n'honore pas le pays, ça mhm. n'honore pas notre religion, ça n'honore pas la dignité humaine, tout simplement. Merci donc à vous, et Chèque. Euh, nous vous remercions d'avoir participé à cette euh, émission. Nous sommes euh, au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème la problématique de la mendicité au Niger. Nous avons eu comme invité le directeur général de la Renaissance culturelle et de la modernisation sociale au ministère de la Renaissance culturelle. Il représente donc le ministre à ce forum, Dandi Adamou. Merci. Nous avons également comme invité le président du comité de dialogue inter et intra-religieux, le cheikh Abraham euh, Aboubakar, ainsi que le pasteur euh, Issa Moussa de l'Alliance des missions églises évangéliques du Niger. Merci donc à vous tous qui avez participé à ce forum. Nous retenons que le problème de la mendicité demeure toujours une préoccupation et des la chronique Malgré tous les efforts qui sont en cours, le sujet reste difficile. Les enfants doivent être protégés, nourris et éduqués et cela revient donc euh, à tous les acteurs, qu'ils soient au niveau étatique euh, ou social. C'est donc un débat qui doit se poursuivre et les solutions doivent euh, être recherchées. Merci à vous tous, auditeurs qui nous avez également suivis. C'est la fin de ce forum. La réalisation a été faite par Boubou Kagalo à la technique Seine Sakai à la présentation Michel Deji. Excellente soirée et au revoir.